l'actualité on continue actualité bi gars dañuy def tey li nga xam ne point médical par rapport ak équipe nationale du Sénégal joueur yi fu toll mais également wax ci li nga xam ne nag mooy donc lii di coulisses zapping bi li ngeen manqué li nga xam ne tuuti ngeen ci gis et tout et aussi Sadio Mané adulé par les supporters du Sénégal loolu la ñu fas yéene waxtaane mais d' abord suñu gaynde U17 yi ñi ngi nii ca Maroc ah, di waaja également seen i jogante yi nga xam ne moo jëm ci match amical yi ah jogante xaritoo yi laataa ñu joué CHAN aussi dem ci Coupe d'Afrique Afrique ba ca Alger parce que tamit U17 yi ñoom it ñi ngi en course et le Sénégal doit faire carton plein comme catégorie pour daal di compétition africaine Yep, gars maillot bi nag gars hein. <laughs> maillot Valverde le contre donc Atlético Madrid après classico bi maillot Valverde ni le mel ce gars c'est un monstre comme niko ko gars yi gain bi dal actuellement gars Rien à dire. Valverde m'a imposé On gars pour un peu également détendre l'ambiance Jules Koundé Jules Koundé Nicolas ko gars plat préféré donc ceebu Jules Koundé donc au na Nambaï, mon donc plat préféré donc c'est un peu bizarre pour ñenn mais c'est normal parce que le Sénégal également a des plats succulents et que bi ci le beaucoup également Bundesliga classement Bagini, donc Union Berlin avec donc 17 points top Dortmund également donc ñi nga Bayern Munich Nyom ñi à la cinquième place simplement. Gaël Nyonek, les coéquipiers de Sadio Kaiser magnifiquement. Donc entre le premier et le cinquième, il y a une différence de 5 points. qui ici également de Zerbi, nouveau entraîneur, nouvel entraîneur de l'équipe de Brighton, moment remplacé Graham Potter, donc qui aujourd'hui dit entraîner les Blues de Chelsea, de Kalidou Rock Koulibaly également, Edouard Diolkoumbe, Mion de Mendy, Sénégal, Bolivie, Waronako Sang, Amnikoy Gaël il le également vidéo dire C'est le 24 septembre à 19h au stade de la Source à Orléans. premier, Sénégal di amal Bolivie dégg ngeen sànq li Pablo Escobar daal di wax par rapport également point médical bi ki nga xam également mooy Boulay Boulaye aujourd'hui il s'est entraîné en salle ah ak dañ ko dañ ko préserver hein. donc moom en salle la nekkoon tey di entraîné nekk ci vélo bi et tout et tout parce que dañu bëgg également que gêne euh, bi mu ressentir mu xaw wër ki nga xamné également moy donc ki di Ismaïla Speedy Sarr nga xamné problème cheville la am momit tay gis ngeen ko fi mu nekkoon aussi diko travailler Ismaïla sincèrement dañ koy ñaanal jamm wër ak wër la hein, franchement parce que c'est un joueur exceptionnel et que blessure ñoko xawa sonal mais il est de retour et on l'espère Ismaïla Speedy Sarr Moussa Niakhaté comme vous le savez momit également ménager momit salle pour Wadjel Bokom, ils n'ont pas participé à l'entraînement de groupe le Sénégal toujours qui est en train de se donner euh, tous les moyens pour y arriver gars également je vous laisse le point zapping avec les Sadio Mané également les danses de nos joueurs Deme, deme, deme, deme, deme. Deme, deme. donc Medina voilà i leen r e m p e i i k o t a a r o p Hey, hey, h y

kontaan naa trop pour nekk fii. ki lay yées pour woŋal koog bi. Euh, jeex na jeex na yow bu leen. mooy lan ko mën. je pense

Thank you. ans. Voilà. Euh, je joue du foot à Monaco. <laughs> I'm very happy to be here. I'm very proud of everyone for welcome. Don't worry, with this time it's okay. <laughs> <laughs> yeah!